n'a Seydina Seymin commandant sapeur pompier donc euh, de Dieuppeul dañu ñëw fii pour préparer donc euh, cinquième édition quatorzième édition Serigne Bara Mbacké donc pour wane ne CICES day indi euh, ful bu bëri ñëpp dinañ fi ñëw daje donc di wane ne soo xoolee xar kanamu brigade bi léegi ak montée puissance bu mu def ak acquisition de auto euh, yi ñu jox moy ñu jox renforcement parking bi so xolé ak commandement bi lu ñu def pour euh, lepp lo xam tane nit nit ñu ngi fa ñu ngi def le tout pour nga xam tane lepp lu ñu ci laaj lepp lo leen xalat la leen yaakaar si ñun côté aspect sécuritaire bi. Mhm. sur sur le sur le côté prévention yépp dinañ ñëw matal ko ci kàttanu yalla donc di wone ne ñun ak population bi ñoy ñooy liggéey à tout temps et lepp lo xam tane mu waral et puis je profite de l'occasion pour wone ne jamono ji ñu nekk. mënuñu wax te wax ñu li nekk euh, nu kanam ñu ñëpp ñu gis moom mooy affaire bi ministre de l'intérieur waxoon na ko l'autre jour fépp fu nit di dajee kon baax na pour ñu ñaaxaat encore nit ñi pour wane ne am na benn feebar bu bon boo xam ne mu ngi fi boo xam te nañ ñaan yàlla yàlla musal ñu si te am na quelques cas yoo xam te ne eh, état bi mu ngi def le maximum pour gérer ko mais tamit ñaax personnel bi ñaax nit ñi fi ñëw ñu xam te ne lépp mesure préventive yoo xam te ne mën nañ ko def nañ ko jéem a ñu jéem ko def ah ñu jéem a respecté yi suñ ko defee incha allah dinañ dinañ nekk si jàmm ñëpp adjudant Samba Seck nekk adjoint commandant brigade foire nga xam ni fi la xew-xew bi amee di wax ne pour euh, journée culturelle euh, Mawlamine Bara bi quatorzième journée bi gendarmerie dana ñëw

vous voyez euh, l'agent de gendarmerie les sapeurs pompiers et même le service d'hygiène qui n'est pas encore là mais qui est invité donc euh, euh, cela veut dire que nous appuyons sur bien sûr le le volet sécuritaire et bien sûr le volet santé. Parce que, comme vous le dites, c'est euh, actuellement, ce qui sévit dans le pays, c'est l'épidémie. Euh, Covid-19. Euh, bon, on a invité et on a appuyé à ce que le groupement de, du service d'hygiène soit là. et je pense que le colonel Djensar prendra toutes les dispositions. Il n'est pas là pour quand même les mesures préventives les mesures préventives aussi, euh, nous les lançons au niveau de, la population. Euh, chacun peut venir avec bien sûr euh, son, flacon de, hein, d'antibio pour quand même parer à bien. Les consignes élémentaires, c'est de ne pas aussi très souvent donner les mains. Nous, on a l'habitude de, saluer, de donner la main par-ci, par-là. Donc, pour quand même notre propre sécurité, même de s'abstenir souvent à donner la main. Donc le service d'hygiène prendra toutes ses dispositions en compagnie avec le comité d'organisation pour euh, parer à cela. La gendarmerie euh, sera là, il y a le plan de sécurité, euh, il y aura un périmètre qui sera assuré par, eux. Même les axes extérieurs du, du, du, du, seront assurés par la gendarmerie mm. qui ont pris toutes les dispositions. Hier, on était avec le haut commission de la gendarmerie euh, le général Tin, que nous remercions au passage, avec le, le, le coordinateur euh, euh le, euh, le, groupement des sapeurs-pompiers aussi nous a reçus et vous avez vu la présence du Lirna Mim qui a donné tous les détails liés à la sécurité. Donc nous partons le 12 à partir de Mazal Kalginan. Nous revenons le 13 à, au CICES pour, au CICES pour préparer l'événement et, bien sûr euh, euh, faire les réglages le vendredi et le samedi, c'est le grand événement. Donc euh, la journée dédiée à, Daru Donc, et je pense que Seigne Abbas fera une grande délégation qui seront là. Il y aura aussi, la sécurité sera appuyée par les éléments motocyclistes qui vont venir appuyer la, la, sécurité. Donc tous les déplacements des autorités religieuses seront assurés par, euh, l'escadron motocycliste. Donc on a pris, nous invitons euh, par ailleurs la population à venir calmement, calmement répondre à cette grande invitation de Serigne Bassirou qui a bien sûr à son 14e édition. Euh, on le sait, la population souvent est calme, mais on, l'invite davantage à venir calmement et très tôt avec leur carton d'invitation. De toute façon, le comité d'organisation est là, la sécurité est là, la sécurité est là pour quand même guider les pèlerins qui vont venir à être dans de très bonnes conditions de suivre l'événement. Et vous savez que l'événement sera suivi par l'ensemble des, télévisions du, Sénégal mhm. et de la diaspora. Donc, euh, ceux qui n'auront pas accès ici euh, pourront quand même calmement, euh, dans leur, dans leur fauteuil, dans leur salon, suivre l'événement et, prier pour Sering Muntaha que Dieu le laisse ici avec la famille, euh, bien sûr, de Sering Touba. Ah, en, gros, c'est ce que, si vous n'en avez pas de questions, c'est ce que je voulais dire. Première question, il a dit que c'est un événement donc grandiose. Est-ce que peut-être euh, tout est fin prêt pour euh, aller directement à l'organisation, surtout avec la nourriture, comme il a tantôt souligné Vous avez vu, quand vous parcourez la salle, vous savez que nous sommes le mercredi et la salle est presque prête. Donc ce qui veut dire que euh, nous, sommes, nous fin prêts pour quand même aller à, l'événement. Au niveau de la restauration, vous savez, il y a, une cuisine intérieure et il y a même des, cuisines extérieures mhm. pour quand même, euh, vous savez que euh, le, le par, essence, c'est le, c'est le hein, bernet. Donc ça, ne fera pas de faux. Et chaque année, donc c'est des milliers de bœufs qui sont immolés pour, pour, pour les pèlerins. you